Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un séminaire sur euh, le dialogue des, territoires, sur le dialogue des diasporas et des différentes autorités locales décentralisées dans le cadre de la gouvernance de la migration. C'est une thématique qui entre dans, la ligne droite tracée par le projet que je viens de vous citer et qui a pour objectif principal de faire en sorte que les diasporas ou la diaspora sénégalaise ou certaines composantes de la diaspora sénégalaise puissent être en relation directe, échangée avec les élus euh, locaux euh, en vue de pouvoir mieux gérer euh, la problématique migratoire. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est une question qui est au cœur des préoccupations étatiques que ce soit la migration irrégulière ou encore la migration euh, de travail euh, régulière, elles sont toutes dans les préoccupations du gouvernement du Sénégal et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous y investir pour essayer de comprendre les principaux défis, mais surtout formuler des recommandations. La direction euh, général sous la, haute autorité du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi du secrétaire, d'État, s'y est investi. Et euh, il y a tout un programme, tout un plan qui a été mis en place pour la gestion de la, la migration, que ce soit avec des projets, avec des partenaires comme aujourd'hui, ou encore avec les moyens propres de l'État L'objectif principal, c'est de faire en sorte qu'on en arrive à une sorte d'émigration irrégulière zéro. Et là, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et euh, c'est pour ça que nous pensons que dans tous les secteurs d'activité, il faut agir. Dans la prévention comme euh, dans l'incitation à la gestion de la gouvernance avec euh, notamment la création d'emplois pour retenir les jeunes. Plus d'un programme, hein, quand on regarde ce qui se passe, euh, en tout cas en ce qui nous concerne, en plus de ce projet Action Coopération sud nous avons un autre projet qu'on appelle Gouvernance euh, Migration Développement, lequel projet s'occupe des migrants de retour et des potentiels migrants. Donc la question ici est de voir comment prendre en charge la réinsertion de ces migrants de retour mais pour cela, il faut se rapprocher euh, du ministère de manière globale, mais au niveau décentralisé, se rapprocher des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi qui se trouvent dans les différentes agences régionales de développement. comme ñom ñoy yor gox yi yor nit ñi di yëngatu ci nit ñi ñom seen and mo wara nek lo xamni moy ni nit ñi lo tax ñu dajee tay ji set naka lañu fexé ba diaspora bi ak ñi nga xamné ñom ñoo nek ci euh, euh, collectivité yi ñom ñu mëna and ànd bu ñu àndee seet naka lañuy mëna jariñé gox bi parce que li sétlu moy ku nek da nga daan dem ci sa côté wala euh, nit ñi di am ñak volonté wala wala ñu bañ leen sax nga toog rek ba mu yàgg ne kii daal xëy na su fa demee du fa am dara fekk yow boo fa demee dina la teeru tey tey bi wane na ko xoolal kii jógee ba tubaatul ñëw ah kii jóge maire fii jóge fi ñëw fii kële jóge ba Dakar ñëw ñoom ñëpp nga xam ni Saint-Louis ñëw na ñëw direction générale d'appui Sénégal l'extérieur ñëw na GIZ ñëw na journalistes yi ñu ngi fi ma nga xam ne kon nit ñi bëgg nañu kon bon nañu fexe ñun ba yombal loolu dinañ ci dem ndànk mais dañu bëgg a profité ci juróomi at yi incha allah am na ay conseil municipal yoo xam ne consolidé nañu gën nañ leen dëgëral am na yoo xam ne yu bees la am na ñoo xam ne ñu bees nañu ci conseil ak conseil départementaux yi naka lañ leen di jàppale pour loolu ñu mun ko taxawal mu mën a jariñ doomu aadama yi bañ a bañ a rek ne kii dafay ñëw indi xaalisam investir du noonu mën na am xam-xam mën na xam ko am xam-xam loolu yëpp jëriñ seetuñu ko donc ci at yëpp passé dañoo bëgg daal tey li nga xam ne mooy yorin boo xam ne ci ci gox yi lay jël samp fa fexe ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi sancoo soo cosaanoo ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk mën a ànd liggéey liggéey boo ne mën na jariñ ni liggéey bi nag mën na am ay jafe-jafe mën na am ay ñàkk déggoo ma bu ñu waxtaanee rek ku nekk xam ne am nga fa war a yem mairie ak conseil départemental am seen rôle association am nga sa rôle diaspora am nga sa rôle ñu seet li ñu boole mooy doomu aadama yi ku nekk def fa la nga fa war a def rek mu jeex mën daal noonu lañ ko gisee te vraiment am na kontaan nañu loolu tey ci taxawaayu euh, euh, conseil municipal u Mbour euh, conseil municipal Saly conseil municipal u Touba Toul conseil municipal euh, aussi conseil bu jógee aussi Dakar ci Waxinaan Nimzaat Guédiawaye ak ñi nga xam association ak diaspora bi ñi nga xam ñu ngi en ligne wa Mali ñi ngi ci wa Côte d'Ivoire ñu ngi ci tay ji ñu li ñuy def ni tay presque presque Afrique de l'Ouest gisaguma ko fi nga nit dal bu toggé ba ne dama bëgg tukki ba wax la ko su leen neexee nga ne ko boo jaaree ci géej gi mën nga cee des boo jaaree ci suuf si mën nga cee des boo boo tamit mun nga ko wax ne ko boo jëlee ay këyit di ko yàq boo liggéey mën na laa yàqal am nga ci droit mais nit ki nag mënoo ko ne ba tukki <laughs> waaw tukkil ak baña a tukki non nit ki mënoo ko ko wax